Auditeur auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous pour vous servir. À la présentation, je suis Salamot Kadri et à mes côtés, Ali Munkaila Ousseini dit Seno. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien Salamot, de ton côté, ça va Alhamdulillah, ça va. Super, alors quel est le programme de ce mercredi 18 décembre 2024, date d'anniversaire de la proclamation de la République du Niger D'abord le flash d'information comme d'habitude la rubrique hebdomadaire. En écho des régions, nous restons à Niamey pour suivre l'historique de la proclamation de la République du Niger. Après, suivons le loti de l'équipe femme du studio Calon, la culture linguistique et notre page sport. Et eh oui, tout. dans ce même numéro, nous suivrons un mini documentaire réalisé par Nefissa Adamou et Samira Rouafi sur euh, le cyberharcèlement. Le Niger sur Kalangou, euh, c'est aussi 100% musique nigérienne. Top, c'est parti pour une heure euh, d'information et de divertissement. Voilà, chers auditeurs, tout de suite le flash d'information avec Rafika Ataer. Bonjour Rafika. Bonjour Seno, bonjour Salamotu. Bonjour Rafifi. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne fête de la proclamation de la République <laughs> nigérienne. Et dans ce sens, le général de brigade Abdramantiani, président du CNSP et chef de l'État, s'est adressé à la nation. Dans un message à la veille de cette fête et de la 66e qui qui coïncide avec la 66e anniversaire de la République du Niger. Comme chaque année, c'est l'occasion de faire un rappel des principales réalisations accomplies durant l'année et aussi exposer les perspectives qui s'offrent au pays. Soulignant les défis d'une souveraineté réaffirmée, le chef de l'État a exhorté les Nigériens à rester unis et résilients pour bâtir un avenir digne et prospère. Le général de brigade Abdramantiani a rendu un vibrant hommage au père fondateur de la République du Niger Niger qui ont accompli la mission de leur temps avec les moyens à leur disposition. Il a réaffirmé aussi la décision irréversible du Niger, du Burkina Faso et du Mali de quitter la CDAO, une décision mûrement réfléchie selon le chef de l'État nigérien. La cérémonie de remise des prix aux lauréats de la troisième édition de l'initiative Tremplin Startup UOMOA visant à encourager l'innovation en entreprise et organisée par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine UOMOA se tiendra le lundi 23 décembre 2024 à Dakar au Sénégal autour du thème le marketing créatif et digital pour promouvoir les industries culturelles et créatives ICC. Cette initiative vise à encourager l'innovation en entreprise à travers l'accompagnement des start-up innovantes en vue de la diversification et de la densification des tissus économiques de l'espace communautaire, rapporte un communiqué transmis hier à Abidjan Au total, cinq prix d'excellence ont été mis en jeu pour les meilleurs projets du classement de la sélection régionale. 24 prix d'encouragement seront également décernés à raison de trois par État membre de de même que des primo structures de promotion accompagnant les startups. En plus des trois prix d'encouragement, le Sénégal remporte le quatrième prix régional avec la start-up Yombal Sasoxla Express, a précisé le communiqué. Enfin, les instances de football marocain ont fait un lobbying payant. Grâce à elles et au soutien des autorités du royaume, le Maroc a obtenu le lundi 16 décembre 2024 la création du bureau Afrique de la FIFA à Marrakech en marge de la cérémonie des CAF Awards 2024. En effet, le Maroc a été officiellement choisi pour abriter le siège du bureau Afrique de la FIFA après la signature d'un accord qui a réuni les trois participants principale partie prenante. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la vision stratégique de la FIFA qui est d'étendre sa présence à travers l'Afrique. La création du bureau Afrique de la FIFA doté d'infrastructures et d'une expertise spécialisée favorisera le développement durable en aidant les fédérations, les projets et les talents émergents dans toute l'Afrique selon Infantino. Merci beaucoup, Rafifi. Excellente journée à vous. Merci. bon repos aussi. Merci beaucoup. Chers auditeurs, comme annoncé en début de l'émission, dans la partie invitée, nous suivrons un mini documentaire réalisé par Nafis Sirfo, et Samira Rouafi, que nous en saurons plus dans un instant. Mais à présent, savourons la première musique programmée sur notre playlist du jour pour se chauffer. Il s'agit de la chorale universitaire avec le titre Kauran Juna. in ba da salama ba ba za mu ci gaba ba maza da mata yara da manya mu haɗa kanmu domin mu zauna lafiya lakkalkanai gati labu arzaka wanir mutum gaciyar di gatin yafo babu fallo gir labocina zama da kan bufumbu kalkwayo niger yo leydi men ni en pilo potal e leydi men sabu ɓe mbi'i to potal wala duniyaaru wela niger bulandi kamande senna adunan karo kalanni fongiru sulhudu bulandero boy sammande cinja voilà, cher auditeur, à l'instant, c'était bien le titre Kaunar Juna, euh, une façon de dire euh, à tout le monde de s'aimer, l'unité nationale, la cohésion sociale. En tout cas, c'est ce que la chorale universitaire défend dans ce titre Kaunar Juna. La chorale universitaire euh, qui a été euh, mise en place en 2018 au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Salamatou, voilà, qui appelle vraiment à l'unité nationale. Chers auditeurs, euh, encore une fois de plus, bonne fête à vous, hein, hein, bonne fête de la proclamation de l'indépendance, où que vous soyez. Non, de la, République, c'est la République. <laughs> <laughs> Bonne fête de la proclamation de la République, autant pour moi. Alors, où que vous soyez, vous nous recevez à travers nos radios partenaires. À présent, euh, nous allons euh, suivre notre mini mag, euh, notre mini documentaire qui nous parle hein, bien sûr de Nefissa Mamar Isaka, étudiante en art et communication et membre d'un syndicat voilà, étudiant. elle est passionnée et engagée dans le leadership féminin, victime de harcèlement en ligne. Elle lutte pour surmonter cette intimidation et s'est imposée comme leader au sein de son syndicat. Le mini-documentaire est réalisé par Nefissa Adamou Sirfo et Samira Rouafi. Dans un monde où le numérique façonne nos interactions, le cyberharcèlement reste une réalité, notamment pour les jeunes femmes qui cherchent à s'affirmer. Nefissa Mamar Isaka, étudiante en art et communication, passionnée et engagée, ne fait pas exception. Victime de harcèlement en ligne, elle lutte pour surmonter cette intimidation et s'imposer comme leader au sein d'un syndicat d'étudiants dont elle fait partie. Mais une question se pose. Peut-on réellement atteindre le leadership après avoir été cyberharcelé L'histoire de Nefissa soulève des enjeux cruciaux sur la résilience, l'empowerment et les défis auxquels font face ceux qui aspirent à diriger malgré les ombres du harcèlement. Plus de détails dans ce documentaire de Samira Rouafi et Nafissa Adamou Sirfo. Dans le hall du bâtiment A des filles, une atmosphère vibrante et animée règne. Au centre, un groupe de filles discute joyeusement sur un banc. Des étudiantes, chacune dans son univers, faire Certaines se dirigent vers leur chambre, les bras chargés de manuels ou d'effets personnels, tandis que d'autres se retrouvent près de la porte pour des salutations. Le mélange de voix et de rire crée une mélodie collective de la camaraderie qui anime cet espace de vie partagée. Bonjour les filles. Nous sommes à la cité mère de l'université Moumouni de Niamey où nous avons rendez-vous ce matin avec Nafissa Mamarisaka, étudiante et déléguée principale de la commission des affaires féminines du syndicat des étudiants nigériens de l'université de Niamey. Je suis très fière de la jeune leader que je suis aujourd'hui. Ça n'a pas été facile pour moi d'être là où je suis et nous nous intervenons dans tout ce qui concerne la gestion des filles inscrites à l'université Abdoumoun de Niamey. Toutes les filles, nous faisons des campagnes de sensibilisation, des campagnes vraiment tout ce qui est lié à la fille, au leadership, à sa bonne santé, et à son épanouissement, à sa prise de conscience et vraiment à sa formation. ça va Pourquoi tu me regardes comme ça Elle est fière sans nul doute de son parcours, mais cela n'a pas été sans difficulté. Le fait qu'elle soit une jeune fille dans un syndicat majoritairement masculin était très mal perçu par un certain nombre de personnes de son entourage. Elle décide malgré tout de se lancer, mais ne s'attendait pas à une telle réaction sur les réseaux sociaux. Elle commence à être victime de cyberharcèlement. Une photo d'elle accompagnée de propos diffamatoires fut publiée dans plusieurs groupes syndicaux des étudiants. Une manœuvre du camp adverse pour l'intimider à se retirer. C'est avec un regard perdu qu'elle se rappelle de cet événement. C'est une photo de moi où je, portais ce même habit-là, hein, avec un foulard noir. C'est sur cette image, la personne l'a prise sur Facebook. C'est une image que j'ai une fois publiée sur Facebook. Et elle a écrit que cette fille que vous voyez a quitté son domicile familial pour un an. Elle vit chez un homme. Dieu seul connaît le nombre d'avortements qu'elle a eu à faire. Elle n'est pas celle que vous croyez. Donc quand j'ai lu ça, j'ai eu très mal sincèrement. En fait, j'ai eu des larmes aux yeux, sauf que c'était dans mon coin. Un leader ne pleure pas devant les gens. Je savais pertinemment que le syndicat n'est pas une ligne directrice où tu vas aller pas à pas et sans problème. Non. L'intégrité et le moral de Nefissa sont touchés. Les sentiments de la jeune fille leader sont mitigés, partagés entre la peur, la colère et l'indignation. Elle décide d'agir ainsi que des camarades de lutte dont elle ignore l'identité en saisissant la juridiction pour défendre sa cause. J'ai consommé ça. Je suis sortie le matin, j'ai continué mon combat. Quand j'étais partie porter plainte contre ce faux compte pour voir qui se cache derrière ce faux compte, parce que euh, il y a la cybercriminalité et tout, j'étais partie à 9 h J'ai trouvé une plainte déposée à 8 heures. Et je ne savais même pas c'est qui. En fait, j'étais fière. J'étais tellement fière de savoir que même si une personne veut me dénigrer, il y a mille personnes qui sont prêtes à me défendre. Les jours passèrent, puis les semaines, et aujourd'hui un an que les deux plaintes déposées par Nafissa et ses camarades sont sans suite. Nafissa a un sentiment d'impuissance dans un système qu'elle estime que la force des uns écrase la vulnérabilité des autres. Toutes les deux plaintes n'ont pas abouti parce que c'était parti du plus haut sommet. Je ne veux pas appeler le nom de X ou Y. Dans le groupe, c'était quatre administrateurs. Les quatre administrateurs, ce sont des leaders syndicaux au niveau national. Quand le faux compte, le propriétaire du faux compte a quitté le groupe, un autre l'a rajouté. Donc, c'est entre les quatre personnes. Parce que quand, quand j'étais à la PJ, ils étaient, quand on les a convoqués, ils étaient venus même avec un avocat. Donc, comment est-ce que pour moi peut aboutir? J'étais en colère, j'étais furieuse de voir que eh, on ne on m'a pas rendu justice. On ne m'a vraiment pas rendu justice. Quand je à chaque fois, ils disent qu'ils n'ont pas eu de réponse alors que je sais c'est faux. Mogu et Simon Munkela deux étudiants à l'université font partie des personnes indignées dès les premières heures par le harcèlement d'un fils affectueusement appelé Fifi et sujette. Quand on a appris ça, c'était un scandale. C'était inimaginable en fait. On n'avait pas pensé que les gens, juste pour le syndicat ils peuvent aller jusqu'à développer des, des choses sur une camarade et mettre ça sur les réseaux sociaux. Nous, on a été désolés donc, à travers vraiment l'intervention de la police scientifique, nous, on, a pensé vraiment qu'elle allait trouver satisfaction. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toutes les filles qui peuvent s'en sortir, de, surtout de ce genre de pratiques. Fifi n'était pas du genre. Bah, c'est à cause de ça même nous sommes unis ici ensemble, parce que c'est elle-même qui nous conseille. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On a tendance à vivre ça sur les réseaux sociaux. Tu vas voir un gars, il va t'écrire le premier message, tac, il va te demander le sexe ou il va t'envoyer des nudes comme ça. Les présumés coupables qui étaient à la base du harcèlement de Nefissa continuent de circuler librement malgré la loi sur la cybercriminalité au Niger qui, en vertu de son article 29, condamne toute personne reconnue coupable de diffamation ou d'injure par un moyen de communication électronique. Nafissa refuse de se laisser abattre face à cette situation elle comprend vite que c'est un appel à la lutte contre l'injustice qui l'appelle. Elle se lance dans la sensibilisation sur le cyberharcèlement au sein de l'université de Niamey. Si une de vous a une fois été victime aussi, elle peut, c'est l'occasion de parler de ça. Aujourd'hui, nous sommes à la salle de réunion du syndicat où Nafissa organise un mini-forum avec les jeunes filles de la cité universitaire. À travers ce type de rencontre, Nafissa a créé un espace où les voix des victimes peuvent se faire entendre pour que plus jamais aucune autre fille ne soit victime au point d'avoir peur de se lancer dans le monde syndical. De ne pas rester muette quand quelqu'un se fait harceler. À la rencontre d'aujourd'hui, Nafisa insiste sur le fait qu'il faut dénoncer toute forme de harcèlement. J'ai commencé à faire des conférences, à parler, à inviter des avocats à l'université pour parler de la question du harcèlement, de la cybercriminalité pour que vraiment d'autres filles soient protégées, pour que les filles ne puissent pas avoir cette crainte, cette peur de s'engager syndicalement, pour que l'image que les gens ont du syndicat puisse changer. ainsi, malgré les épreuves, Nafisa continue aujourd'hui sa lutte avec une détermination renouvelée. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches mais elle était prête à avancer pas à pas pour un avenir meilleur pour tous. Le syndicat, et une école, en part pour se fermer, non pour, se faire, pour aller se faire harceler. Face à tout ce que j'ai vécu et ce que je continue à euh, vivre, euh, je suis vraiment très fière de la personne que je suis en train de devenir. On ne devient pas leader comme ça, c'est le sacrifice, et le prix à payer. La voix, autrefois étouffée par la peur, résonne désormais avec force et clarté, unissant ceux qui aspirent à un changement. Voilà, chers auditeurs, c'était le mini documentaire réalisé par Nafi Sato Adam Surfo et Samira Rouafi. Sinon, à présent, nous allons encore souffler à musique qui font ensemble le titre plus de fois du groupe de rap Métaphore Crew. Le volant du printemps de la vie apporte matasa wasika yaga du matasa wasika yaga matasa pour la jeunesse de ta feu revient chanter gardez vos esprits plus de foi pour tous les jeunes décidés l'avenir est assuré gardez ka sai gaba duk wata ba za ta nesa da kai ana ke bada namiji ki nema iyaki da lokaci ka kamanta yana da kaka ba matsala amma ka shirya maza ka nema maza kuta da gobe ka kage asara ka samu ka nesa da wata masibo mai saka ka rugume makara da tuko ka sakala mai suke tuni nasara ina da asara zaka gara hama hankuri ke baka Et eh oui, cher auditeur, Métaphore Crew incarne le sens vibrant du rap nigérien, fusionnant les langues Zarma, Hausa et français, comme vous le constatez dans ce titre, avec une habileté remarquable d'ailleurs. Depuis euh, leur entrée en scène en 2000, Yazdi, Lion Silibé et Luis ont sculpté un espace unique où leurs paroles percutantes dépassent les frontières linguistiques. À travers leurs rimes engagées, le trio explore les problèmes sociaux qui entrave le progrès au Niger, offrant ainsi une voix authentique et poignante à la réalité africaine. Métaphore Crew ne se contente pas de rapper, il sculpte un reçu musical profondément enraciné dans les défis et les aspirations du peuple nigérien. Plus de on ne cesse pas give up. les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passé de 25 minutes. Si vous venez de nous capter, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou, une émission de la mi-journée très riche en informations. Chers amis auditeurs, c'est le moment pour nous d'entamer notre rubrique hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous allons parler environnement, n'est-ce pas, nous oui, salam euh, Salamatou, euh, en effet, le Sahel au sens large couvre jusqu'à neuf États africains les changements euh, climatiques jouent un rôle important euh, dans l'expansion du terrorisme dans certains pays du Sahel. Selon des experts, les comprendre et les canaliser pourrait contribuer à en réduire l'impact. Ce dossier de Fadel Alou clarifie la relation qui peut exister entre les changements climatiques et le terrorisme au Sahel. On écoute. Les conséquences du changement climatique sont en elles-mêmes une forme de violence pour la population qui vit chaque année les inondations, les sécheresses, selon le géographe Stéphane Andoze. En réalité, les conséquences du changement climatique sont déjà en soi facteurs d'instabilité et de violence. Lorsque la sécheresse, les inondations et j'en passe rencontrent des sociétés humaines vulnérables, car en proie à la guerre, à la malgouvernance, à la pauvreté, son impact dévastateur prend une toute autre ampleur. Cette ampleur est dû à l'accroissement de la concurrence sur les ressources qui crée les conflits et favorise la radicalisation et la prolifération des groupes armés, explique le géographe. C'est ce qui va favoriser la compétition des ressources, notamment en eau, nourriture, qu'importe qui peut, là encore, exacerber les tensions sociales et donc la violence, et conduire donc à des conflits entre des communautés qui dépendent de ces ressources. C'est dans ces moments de tension, de forte tension, que les inégalités se creusent, que prolifèrent les groupes armés, que prolifère la radicalisation et de brutalité les changements climatiques sont donc des facteurs aggravants dans le cas spécifique du Sahel. La lutte contre le changement climatique et l'insécurité devient ainsi un double défi pour les gouvernements du Sahel. La notion même de choix, elle devient vitale. Est-ce qu'il faut régler l'urgence sécuritaire qui pourrait avoir un impact plus ou moins immédiat ou il faut plutôt s'attaquer à l'urgence climatique, certes immédiate en cas de famine, mais qui demande un travail de longue haleine avec la nature et aussi avec les communautés locales. Les politiques environnementales seules ne suffisent pas pour éradiquer le mal. Il faut impliquer davantage la société civile et les acteurs locaux, a martelé le géographe Stéphane Ondoze. Les politiques environnementales ne peuvent pas à elles toutes seules répondre aux problèmes du terrorisme au Sahel. Les sociétés civiles et les acteurs locaux jouent un rôle essentiel. C'est en investissant dans les ressources humaines que les gouvernements du Sahel peuvent créer les conditions nécessaires pour une paix et une stabilité durable. Dans la mise en place des politiques environnementales efficaces pour lutter contre le terrorisme au Sahel, ces groupes sociaux ont une place prépondérante. C'est pourquoi des projets comme la Grande Muraille Verte qui vise à reboiser une bande de 8000 km de long et 15 000 km de large le long du Sahel s'appuie sur ces acteurs locaux, a conclu le géographe Stéphane Ondo Zeu. Merci bien Fadel Alou pour ce partage d'informations. Et notre tour à musique, écoutons le titre Anir Kaina chanté par Abdallah featuring Fatima Rico. i wali yei miniga anin kaina anin motogogo gin fo cher auditeur, je sais que vous êtes en train de bouger sur ce rythme. Hein. C'est le titre Anine Kena. Euh, c'est cette chanson voilà, euh, que vous êtes en train d'écouter, bien évidemment. Un titre qui incarne euh, la fusion harmonieuse entre l'artiste chanteur abdellah il est nigérien, bien évidemment, et aussi la talentueuse Fatih Mariko. Cette chanson, en hein, révélant ainsi la richesse et la diversité de la scène musicale nigérienne. La voix d'or de Fatima Ruko s'entrelace magnifiquement avec le style, distinctif du chanteur, créant une expérience auditive captivante qui célèbre la culture musicale du Niger. Un titre envoûtant qui transporte l'auditeur au cœur de la créativité artistique et de l'expression authentique de ces deux talents exceptionnels. Ah, allez Kader wani mai gadai sai amina aho wala ko ciyo ga barbe gendi wai ami anin kana bani mintu malha hanai sai anin kana ko ciyo ga bar farahandi wai ami anin kana aballa mala fali anin kana anin matogogo ginfo anin kana bani mai gadai sai amina anin kana ko ciyo ga barbe gendi anin kena bani min tumal hanayse anin kena kociyoga bora farandi anin kena a balla mola fani anin kena anin motogogogini fo Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre Anini chanté euh, par euh, l'artiste Abdella en compagnie de Fatima Rico, la voix d'or de la musique nigérienne. Il est 11h passé de 32 minutes, place à l'écho des régions et restons à Niamey pour parler de l'historique de la proclamation de la République du Niger. Et oui, c'est nous, ce mercredi 18 décembre 2024 et le 66 e anniversaire de la date de la proclamation du Niger. Aujourd'hui, la dernière République en date au Niger est la septième, avec la promulgation de sa constitution le 25 novembre 2010. PhD Mamoudou Jibo, professeur titulaire des universités du CAM, c'est comme ça, non Oui, du CAMES. Du CAMES, voilà, et enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université Abdou de Niamey. Fait une lecture de cet événement. Il est au micro de Ali Niali dans l'idée de proclamer le Niger comme république. Quels étaient les objectifs de l'époque Mais Les objectifs sont assez nébuleux, c'est très confus. Et puis, ce n'est pas le Niger qui a choisi. Euh, de Gaulle, euh, en faisant adopter sa constitution, avait donné comme possibilité, colonie, colonie Afrique devenue territoire d'outre-mer, le choix entre l'adhésion à la communauté, c'est le titre 12 de la constitution, soit euh, donc le statut d'État membre de la communauté, soit le statut de département ou de territoire d'outre-mer. Et la troisième alternative n'a même pas été envisagée, celle de l'indépendance. Ça veut dire la sécession pour De Gaulle. Pour celui qui va voter non, sort de l'ensemble français. Le PRA a retenu le principe de faire voter non à la Constitution pour aller à l'indépendance immédiate. Et la France a menacé que ce serait une sécession. Donc, le schéma de république n'a même pas été envisagé. Les États ont été ainsi inventés au lendemain de la Constitution, puisque le, au Niger, c'était la précipitation. PRA étant uniquement majoritaire au Niger, aux élections de 57, c'est le PRA, c'est au Niger seulement que le PRA détient la présidence du Conseil du gouvernement avec Jibo Bakari. Or, avec le coup d'État politique qui a été organisé contre Jibo Bakari à partir du 16 septembre 58, qui a continué pratiquement jusqu'à novembre 1958, date à laquelle euh, le pouvoir, euh, le système gaulliste a pu obtenir la démission, entre guillemets, de 33 conseillers territoriaux sur 60 pour dissoudre le conseil. Les autres ont organisé des élections pour dégager une nouvelle majorité et le Niger n'a organisé les de nouvelles élections territoriales que le 14 euh, décembre. Et les élections ayant été organisées, les élus ont été convoqués dès le 17 décembre. C'est-à-dire les résultats ont été proclamés entre le 14 et le 15. Et le 17, tout le monde devait venir à Niamey. Les gens ont adopté, selon le schéma voulu par De Gaulle, parrainé par Oufo Boigny, qui avait la, la même mise sur ceux à qui on a donné la victoire au Niger, la victoire du 8, c'est-à-dire le RDA. Donc, le Niger, comme les autres, a adopté le statut d'État membre. Et, brusquement, il a été conseillé à tous ces nouveaux États préfabriqués de choisir la forme de république. Or, dans la Constitution, il n'y a que la République française. Et la communauté devrait être, d'après le titre 12, ne sera constituée qu'entre la République française et les États membres, les États et territoires membres. On n'a pas parlé d'autres républiques. Donc, alors qu'il y a la République française, voilà, dès qu'on adopte le statut d'État membre, l'État du pour la forme de république, c'est une résolution de l'Assemblée. Et ça a été un peu partout comme ça. Euh, ça laisse comprendre que quelque part cela a été manipulé, cela a été suscité. Alors, professeur, c'est quoi une république Or, en général, les juristes ne me démentiront pas. Une république se fonde sur un texte fondamental, sur un texte de loi. Une république a, a une source. Or, à ce moment-là, aucun de ces États n'avait une constitution. Il a fallu le 12 mars 1959 pour que le Niger se dote d'une constitution à l'intérieur de la constitution de la communauté. Donc, on peut se demander quelle est la valeur, quelle est le contenu de cette République. Et jusqu'à l'accession du Niger à l'indépendance, le président du Conseil de gouvernement du Niger, Gori Amani, ne pouvait pas se prévaloir du titre de président de la République. C'est président du Conseil de gouvernement. De tous les pays membres de la communauté, il n'y a que le général de Gaulle qui a porté le prérogatives de, les titres et les prérogatives de président de la République. Donc on peut s'interroger sur quelle République, sur quelle forme de République euh, nous avons euh, proclamé. Et quand viendra la proclamation de l'indépendance, le 3 août 1960, cette constitution est devenue 18. Il fallait en fabriquer une autre qui va contenir la souveraineté. C'est ce qui sera fait le 8 novembre 1960. Mais cette république, j'ai peut-être exagéré, mais je l'ai considérée comme une sous-république de la République française qui n'avait de république que le nom et qui n'avait aucun attribut d'une république. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, un coucou à toute la population du Niger qui nous écoute en ce moment sur cette émission Le Niger sur Kalangou. Bonne fête de la République Wakayesi, da Dassala. À présent, sur le rendez-vous du sport, notre chroniqueur sportif du, jour, Adam Sariou, est avec nous. Bonjour Adam. Bonjour Salamatou. Bonne fête également. Bonne fête à vous. <laughs> <laughs> Bonjour euh, Adam, c'est comment Voilà Adam. Le MENA national continue sa préparation pour le Chan 2024. Où en est-il eh bien, dans le cadre de ses préparatifs du Chan 2024, le MENA national a prime affronter les étalons du Burkina Faso en match aller-retour au stade général Sénécounté de Niamey. Après un premier match remporté par le Burkina sur le score de 1 but à 0, au match retour, les deux équipes se sont neutralisées sur un score ni le vierge. Suivez la réaction de Aruna Doula, sélectionnaire de l'équipe nationale du Niger, au sorti du match. Il est au micro de notre confrère de la RTN, Munkela Isaka. D'abord, c'est des matchs de préparation et je pense que sur les deux matchs, on peut dire qu'on a progressé depuis pratiquement la fin de la première mi-temps du match aller. Je pense qu'on a été capable de dominer dans le jeu cette équipe du Burkina, peut-être sans pouvoir marquer. Oui, c'est vrai, ici, sur ce match, ils sont passés à 10 euh, très tôt, dès la reprise. on n'a pas pu exploiter cette infériorité numérique qu'ils avaient. Je pense que dans la précipitation, on a perdu beaucoup de ballons. On s'est créé assez d'occasions qu'on pouvait au moins faire un but dans ce match. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Je pense qu'on a quelques jours pour y travailler. C'est vrai, le match euh, en déplacement, ça serait dans un compte de déplacement. Il y aura encore la pression. Certainement, cette excitation viendra. je pense qu'au niveau des jeunes, on a trouvé une envie d'aller chercher cette victoire qui est là. Maintenant, on va s'appuyer dessus pour euh, apporter les corrections nécessaires prochain rendez-vous du MENA sera contre le Togo le 22 décembre prochain à Lomé et le match retour est prévu le 27 décembre à Bamako au Mali. Après ce mot sur le MENA, euh, Adam, parlons de la prochaine édition de la Cannes U20. La Côte d'Ivoire a été désignée pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations euh, de cette catégorie, n'est-ce pas Eh bien oui, en effet, l'annonce a été faite lors de la cérémonie du Ballon d'Or africain à Rabat le 16 décembre dernier. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a terminé troisième lors du tournoi qualificatif, vainqueur lors de la troisième place face au Niger à Lomé, qui était synonyme d'élimination. Les éléphantaux participeront quand même à la prochaine Cannes U20 parce que leur pays a été choisi comme pays organisateur de cette Cannes U20. Chers auditeurs, sur l'essentiel de la page sport de ce 18 décembre 2024, je souhaite une bonne fête de République à toutes et à tous. Merci euh, Adam pour euh, toutes ces informations. Alors c'est nous, qui allons-nous découvrir aujourd'hui Et oui, notre portrait nous conduit à la découverte de Hassan Oumar. Voilà une migrante, euh, voilà, Hassana, autant pour moi, Hassana Oumar, une migrante nigériane qui a euh, comme activité génératrice de revenus les ramassages, le ramassage de sachets plastiques. En effet, à euh, un phénomène surprenant attire l'attention des passants, celui des, femmes étrangères migrantes qui se rendent quotidiennement dans les décharges publiques pour y ramasser des sachets plastiques. Voilà, sinon ces femmes parfois mal aperçues trouvent dans cette tâche non seulement un moyen de substance, mais aussi une forme de résistance face à, des conditions de vie difficiles. Hassana Umaru, une des migrantes nigérianes explique les raisons qui l'ont poussée à exercer cette activité. Elle est interrogée par Mariam Jarmakwe. Allah ya sa abincin mu a nan kuma in mun tsinta muna kaiwa mai saye ya siya in ya auna ya siya ya ba mu kuɗi shi ma yakan sayar ya samu abinci to yanzu na ga ledodin solani ne kuke nan da tsintsa mm. kuna iya gaya mani su kaɗai ne kuke nan ga tsintsa ko ko akwai har da wani iri a solani kaɗai muke tsinta ba da farar leda fiye wota duka duk muna tsinta su robobi duk muna tsinta mu haɗa kowane in mun je sai mu cire shi daban mu cire solami daban mu cire farar leda da na fiyon wata su kuma wuri guda muke cire su mu yi buhun shi mai buhun shi shine sai mu dauka mu kai mu mai awo ya auna kamar kasuwa ne yake koko su aikin su dai ne a haka aikin su ne dai haka akan titi kamar yanda motocin nan suke wucewa su kuma suna ajewa akan titi to sai muna kai musu abin da dai ya kawo mu ana musamman kin san matsala yi take sa komi da Allah ya kawo lokaci na rayuwar mazan mu ba sanin tunda a lokacin ada ni mijina ko hitafan yadda kika ga kuku yan gari haka nake zamna gidana da yarana da komi amma yanzu mai gidan mu sai ya rasu da mai gidan mu ya rasu nan a tsawon shekara biyar da rasuwan mai gidanmu to sai abincin gabara ya mamu waya sai muka samu na an so kuɗin gonan mai gidanmu wanda ya bar mamu gado sai muka sanyo gaba muka taho da ɗiyana na baro guda biyar gida sai na taho da biyu dama ɗana bakwai kuma kishiya ta ita ma har ni da zuwa nan kwana uku amma ita Allah ya mata ikon koma gida amma ni ina nan da yara na guda biyu ban koma ba kuma ko can unguwarmu ba mu kaɗai ba ne ba dai wanga aikin muke shine mukan samu abinci muna ci da mu da ɗayan nan marayu Allah ya taimaka mamu a bisa wannan Kama yanzu wangakin kama a buhuhuwan da kuka yi eh wannan buhuhuwan nan in muka je ni dai jiya abin da na saida dala hamsin da biyar na saida sai muka je muka sai abinci muka ci karhe washen midi dai bai kai ba kuna ga sai wani yar kuke sauka wani lokaci kuke sauka eh muna sauka ne a lokacin rana tsaka haka eh mu ta gida rana ta yi ko Voilà, chers auditeurs, euh, une autre pause musicale pour nous détendre avec ce titre, La paix de Maliaro, une chanson que j'ai dédiée d'ailleurs à tous les personnels du studio Kalangu. Voilà, c'est auditeur à l'essence, c'était bien le titre La paix chanté par l'artiste Maliaro du Goumbé Star. Nous poursuivons notre émission et cette fois-ci, c'est l'heure d'écouter la rubrique euh, Loti euh, des femmes du studio Kalangu. Voilà, euh, et aujourd'hui, euh, la rubrique porte sur le harcèlement en milieu professionnel, un problème sérieux qui touche euh, de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. Et cela engendre de graves conséquences psychologiques chez les victimes. D'où l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel au personnel affecté. Samira Rouafi et Aboubakar Sanda pour plus de détails. Loti, loti, bon, Loti. Loti. Loti. gani saido aiki bem sala ni sai ko sai din wanda minti inka a ba ni wala laila wai bor hanno ai ne ya sambu ayi ai kullu ai goni si guni ir ko sai nan ma ai wai si ba sani wani indumi masu ya gane sai wai bor hanno wadin si inda nin gamaga mai ce da mayo ir ko sai ai boro alhana ai wai goi dai gini sifano ai si ba sifa mu wat kunai ne ni sai si ba wadini matkan ai ci ni sai dano nan gogoi dono irgo nan ai mci mbo hankan kan da ai nik be hankan gati kan bukun futai fot kam kun fute kare walifu wala hay kan lalan da wadi kam kun fute wi gingine mize sanni zayin no kan nigi boga se kan su kana se mo ni to ga hamoga mo haya kan nigo ga ta se kalato alan babon londoga wadin gi hingate hay no nigo ta se mo sanni yan no nigo ciya se kan man hagu kan mu askanu boga se da haya koi ga moru inga to kala kan baga si a seni gine si bar axellement kan bukun kun futai kan baga si sirbo ah ai godi amma ifo seni wo sanne wo kulke shi hankan sai goga ci ni i ika gin kalmai ga seni ai goga sanno wo ci ni sai. ifo ai mai no wai borai din nafisa wala wala mai muno ha hajar wala binta hey irko sai kai ni ma ai wai man ba kai ga wai bagai ma yai ci ai man nemo igba amma ni lakkalai kultun ya dinga bagai kai sai nin talite ga ba window wura kwacho a gwai da sanne kan dumani goki ban tin goma wala matkan nugo ga salan da danga talibe ri fono aiti talifono gono da na bora sifa wal modin na bora iri ga salan iri salma hari ni be kan wai borya arno kan bor kamata ga lallashi ya dinga bor kamata ga fakare da no am mu nango we bo kunno sino kanga bala la siyan saidu ko iga faka ka gaino da hin hinka gaba da hinka siba asite we bo gayo maye kan ni cega we bo wani yan gono bo kan yan mosin da kunyi gira iga mo ba a ni min hima kan bukun futai halai ka ga nisi bo bo buno ka gane haya kan ni te ingai se ne ya dinga ba ga salan yise ka dadin ce cigilan ha hamai ga wadin mo mante wal mo ni dimman ne bo ga kwaye ga bori ni gini yakin ni gini ne wadin mo amon bori ha kan ni gote manti bo hanna ta gaino ko ni manti salma ha gai ma ga se no wadin wo kan bukun fita ni gina se zama isi baga da dai ni su baya gano wai bogai din gamu bogai kan yan gogo ni cir gono ko ni nin no zenai matkin se ni ka ga salan ni se gine ni munnan wal mo haya kan ni gote si ka ni se haba ni mo hey boro an gane shi an bori mantin goma wala matakan yi gisalan da wai bor jare a sinugu ne da sifa yango wal matakan inda nin goda a skanin se shi wai bor e kulma ye dangara ai mani no wadin fonda cimno kan lokacin te kan wai bor yango kan aine ba me halga son ai gode ga batun o ni go batu wai wai bor yan bumbo da adin ga iga babu e kan senin ci wadin mante a ga hingita imne goido bor hinga kan gogo charbande im ba chari kal haya mu kwanda higega amma yimne sai bo se non wani ne ni bare wadun wa aman hagu Wani yau kan bukun futai ni gina se ko ni kititir fo kan gayi ni kan badake a wani aya hin kan da wai hakucin cindi fabo kan ikwai kan ba da kyabo juwan hando girbu wakin da hinza hani a nasara giri zambar hinka di hinza amma ne kala hin kon da bora kasu ga rodo handu hinza ga koi handu iddu boga ga hinga ban mo nugu kanga to zambar hinka ga koi zambar waranka wadi mo ikai nanu zamda haya kan ni te da bisu wadi nugu ga hinga babi siya dini zamdi ne haya kan ni ti se koi ga nan kan boga si hinga salan gemara boga a si hinga te hannate do wal hal boga mu goyo na wal mo imine boga si hinga wan haifo duwa halace ci ginga bon wi irko hinna ga han kan ga donin zamanin no te sabili kan wadin duwai subhanallahi ai mun bai kan haya to yakini so mun borjare din ai ga koi ga diye inge mo ai mai ya fahayi ga nihi ma te walla koi ne ai sawun daga nim gog musu zamnin no te sabili kan igin garai zamdin hayai wo koi gba irko hinig bayan kan gudu ne ma kan albogai mbo igi kan bukun fita nin wadi ne wane tenisi ai sibe hal gihin gidan gai wadin wai sin gabai ai manu bai kan hayawo to ne wacce ne ai sabu gumgumo kan ni ne bon wo feri to abori dai no ya ai maka ni kan dugu faham nim bai mo kan ai no ga baga hagoi da sataki ga ba goran di goyo ga kan ga hagoi da hai kulkan ga tikan bukun futa ya dinga ba kulkan ka ginga sanni ciye sai gine ba fogo ta si haifu ai wo ko di boga ya dinga son mata kirgiti maka irmu ko ir wani borbe gaido ai mici sai kan ai salan ni sai gin hanga candi aboro da mai bai kan wani ga ka ai sabu ni ma laila son ayo kan ai gite ga ti ai go ye ko ai goyo to a Voilà, grand merci euh, au desk femme de la rédaction pour ses euh, multiples conseils. À présent, accueillons euh, Alassane Abdou, rédacteur en chef du studio Kalangou pour la culture linguistique en Zarma. le mot de la semaine est République. Bonjour Alassane. Bonjour Ali Seini, c'est nous 80%. Et bonjour Salamatou. alias euh, Sali. <laughs> alias Salmou. donc bar sama matsorgo hunkunde sanni zo kan bo irga salan warse sanni no kan hunkuna bota jingro gi hinkene ir niger labora borkulguma igine 18 décembre proclamation de la république 18 décembre euh, la république faute république fo nogana imkat nizo zo mayo warga bai an sargi zambar hinka zambar fadu zonga hakku 1856 da wigicin da ido ganar ne kan ira afirka labai ini kanan di ka pati pati pati pati pati da kine wane labuno wane wane batan filano wane yakinno wane yakinno bata mai ni imi da kuke tabbatan da buriyan ka jinka gorira kai yan ikatingai in lokkoleti na kan kanta ga kware kan wargabai alwati bandiga kan ir niger labo akwai kudin ga kan liliwalo liliwal sai nuwan sar sanara igine drapo ir niger labo akwai kudin ga jin bore kan gubun boki su ban ga bonse sanga iko ka boriyan goran di kan kokutu labi zai maga alwata ban ga kan niger labo ko kudin ga cewon da kai akwai kudin ga ka ga himanda ka iko ka bai kan bata mawaki dumbuka kayan da kina wona ir wonno ir bumbogi hinka hauzu irgin ka gwargin ka kulu ga gano ina batama tabbatan da kan lalle wo niger to wo kan niger gina bori niger la no ga goida no kondar gina no ga bahunate no ga sokon batama kan isokon kara la bizai bonon sokon gai bonse ngai gai bonse ini ngai lilwa lo kendi ini ngai hillo kendi kasigine im ne dum senigine republic republic ko mo ke ci. giro hunkuna hankase irna sanizo suban ir niger labo akwai ku dungu bon ka kason akwai kungo bata ma tabbatan di zama tabbatan di wani fayin ka da bondura bata ma tabbatan di wani kan republico ka iga bai lalle hunkuna akai niger no niger labi zai no akin da kinno a sindakar giro wa dukin da iddu a gar bondura a mantuwa da gina zama handai man tafo jire man tafo wasu buseno wa kulkan alwato ne yanka gutu irga salan labojin bore gi salan igi bore lakkale kendi igi fahamandi ir labo jedira wo bon bi bora kul dia wato kan labo ko kaga salan go labo jine a kaga salan ifo ta san kai kan gai sambu anguwa a kiyongo ra anne kan bondura so kunno tabbatan jongo aga bakate zam sonno non ga bala bi zai mu kai wana eh, mudun karfe hau Voilà, merci infiniment euh, pour euh, ces éclaircissements en langue zarma sur euh, le mot république. Chers auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Mamman Sani Dauda, ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka. To a gaskiya shirye-shiryen Studio Kalangu suna ƙayatar da ni sosai sosai, musamman ma shirin su na mu haɗu a fada. wanda suke yi ga matasa gaskiya shirin nan yana ƙayatar da ni kuma ba na bari ya bar ni to mu dai shawara ɗaya ce muke so mu ba su akan tunda su suna aiki da yanar gizo-gizo Suna wallafa duka abubuwan da suka yi a shafin su na Facebook. A Facebook ma muna tare da su. Kiranmu da su mu Afirka musamman ma nan Nijar matasa sun fi amfani da harshen Hausa. Ya kamata a ce idan za su dinga yin post su dinga yin na Hausa za su gani yanda za a dinga bibiyar su ɗari bisa ɗari kamar yanda su BBC ake su doci bala za su gani. Ina musu fatan alkhairi. muna kuma fatan za su ci gaba da shirye-shirye wanda suka fi wannan ma kuma wannan shirin da suka fi na kwanan nan ma wannan shirin shi ma yana yi sosai sosai daga karshe ina gaida dukkan ma'aikatan radio studio kalangu da ma'aikatan gidajen radiyika na nijar baki daya akwai abokina mutar basiru wanda yake gidan radio shukura zandar akwai babban daraktan nasu aliketa ina gaida abokina babaye gambo akwai babaye lefe ina gaida 'yan kungiyar haɗin kan matasan afirka na jamila studio kalangu muna jin daɗi muna kuma jin daɗin da ake wayan muna da kai na dangin rayuwa da bidan incin kanmu gaskiya muna farin ciki da shiya muna jin daɗi saboda mu abin nan da an ka buɗa kawai abin gana an kai mana kawai ci gaba na mu mata ana samu cikin sashi ana tunuwa da mu ana waye mana kai gaskiya muna jin daɗi ne gaskiya saboda ci gaban mana sunana muhammad nazir masaud abdulkarim bidiyo kalangu dai muna muna mata fatan alkhairi sai dai mu ce daga cikin shirye-shirye da suke akwai shirin na wanda ake kamar bayyana batu na basa fada ana yawan tattaunawa a bisa kan abin da yake rayuwar mu ta yanzu eh to gaskiya wannan shirin yana da kyau a kara kaimin shi kenan saboda ko ina cikin ƙasa a rinka jin shi duk da ma dai suna da shirye-shirye masu kyau ina gaishe da yan uwa da abokan arziki musamman ma isma Ismaila Alhaji eh, Ishaq. Kuna magana da Ahmadu Mafi Mushkila. Eh wannan shirye-shirye na gidan radiyo wannan mai albarka. Ubangiji Allah ya yabuka shi muna jin daɗi sosai sosai. Alheri ne Allah ya ƙara ɗaukaka shi da wanda suka yi tsaye a kan shi Allah ya ɗaukaka su. Ina gaida duka jama'a kowa da kowa. Voilà, chers auditeurs, fin de cette émission de ce mercredi 18 décembre 2024. Rendez-vous est pris demain à la même heure avec un autre duo. Vous étiez avec Salamot Kadri et Ali Munkaila Ousseini. Passez une excellente journée et très bonne fête à vous. bye. bye. <laughs>